li ngay que le tourisme le transport aérien au Sénégal sont à très basse altitude et sans cap xam nga en 2012 déjà classement du forum économique mondial qui rapport sur l'attractivité attractivité touristique pays Sénégal est en 107e position Nous avons 106e position sur 140 pays. Nous avons une infrastructure touristique de qualité un personnel qui œuvre au niveau du tourisme de qualité un environnement attractif déjà commençant par l'hygiène publique l'insalubrité bi nga également un services hôteliers yu tourisme bu tax ñuy même le chiffre yu est annoncé un million touristes chiffre bo da nga sa mbokk yow nga Europe pays Afrique ça veut dire que pour gonfler ko mais du ay chiffres yu te benen des bi nga aussi Sénégal en compétition avec pays sous région yi ci destination mais bu féké tay jini taxi am ci yi ba nga cher mais touristes dañuy préférer

aéroport de dans certains pays comme l'Égypte l'aéroport de Sharm el Cheikh nga aéroport de second niveau mais même capacité d'accueil Nous avons 3 millions de passagers par an alors que nous, l'avons projeté en 2021 Nous sommes à la 20e place classement c'était en 2017 Afrique du Sud nekk ci kaw donc vous sax yenn aéroport yi Afrique donc loolu di donne la première chose Benen mbir mi réhabilitation aéroport l'aéroport ce sont des promesses ce sont des vœux mais ku savez, l'idée qui Macky Sall avec la réalisation fossé bi les idées sont toujours là les promesses sont toujours là mais les réalisations font défaut donc il y a un problème d'ambition déjà par rapport à dimension bi l'aéroport. war jox aéroport bi de au niveau de la sous-région au niveau de l'Afrique de façon générale mais également beaucoup de promesses qui reviennent sur pas mal de budgets et suivies de très peu de réalisations